Bonsoir et bienvenue dans votre émission entretien avec à la présentation Pogba RSC le roi sans couronne mbokk yi di je daajëfal di leen nuyu ku nekk ci à ak santam di dalal ci émission euh, entretien avec tey jii nii euh, invité benn jeune bi il n'est plus à présenter ici euh, dans la ville de Sédhiou donc Mongini, ça m'a sama wet maa micro présenter xam monsieur vous avez la parole. Euh, bonsoir Pogba et bonsoir aux téléspectateurs de Sédhiou 24. Euh, voilà, d'abord, permettez-moi de saluer vraiment l'initiative et de vous dire chapeau par rapport à l'expertise. Et dans l'entamit, euh, 24, c'est une chaîne 100% locale, à 300%, à soutenir 300%. Et voilà, c'est une fierté nationale et une fierté internationale. Merci. Voilà, euh, merci beaucoup. Euh, vous répondez sur le nom de Lamine qui est Lamine en réalité donc parler de moi, ça va être un peu difficile. C'est comme on le dit en Wolof, mais je dirais juste que Lamine Sow, c'est un jeune Sédiois, euh, un jeune natif de Sédiou, euh, qui a fait ses, voilà, meilleurs jours ici à Sédiou, euh, un jeune engagé en politique, aussi un jeune engagé dans le développement de Sédiou et qui a Sédiou en bandoulière. Voilà, merci beaucoup. à vous connaître, on sait que vous êtes quelqu'un qui est très engagé dans la politique. Qu'est-ce qui explique cet engagement ah, Mon engagement en politique se justifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sédou d'abord. Euh, j'ai Sédou en bandoulière, mais la cause de Sédou voilà, que je représente partout. Mm-hmm. être Sédou, c'est une fierté pour moi, mais être Sédou, c'est une chance énorme pour moi. Donc je dois tout à Sédou. Donc je dois aussi vraiment défendre Sédou, défendre les causes de Sédou de, des Sédouas et des Sédouas. Mm-hmm. Voilà. Merci beaucoup. Euh, on sait que vous êtes quelqu'un qui est trop arraché au ministre-maire de la région de Siedjou, euh, Abdoulaye Diop. Quelle est votre relation avec ce dernier euh, Ma relation, mes relations, je dirais, parce que mes relations avec Abdoulaye Diop, n'est pas seulement de la politique, c'est une relation de fraternité. moi, je ne suis pas un militant d'Abdoulaye Diop. Oui, je suis pas un militant d'Abdoulaye Diop. Je suis un jeune frère d'Abdoulaye Diop. Et nous savons tous que dans une famille, la fraternité, ça donc ça veut dire que je ne suis pas aujourd'hui avec Abdoulaye Diop uniquement pour faire de la politique, mais c'est un grand frère à moi. Et ça, je le dois à un, frère, euh, Soumane Sané. Donc, euh, si on se rappelle bien, euh, vous êtes euh, la première personne qui a imposé ici un mouvement qu'on appelle toucher-couler. Pouvez-vous nous revenir là-dessus un peu Toucher-couler, oui, c'est un mouvement qui appartient à lamin Et c'est aussi un mouvement qui appartient à tous les Sédiois. Donc tout ces c'est un mouvement citoyen, un mouvement, je dirais, citoyen, politique Donc c'est un mouvement qui est créé juste pour défendre les, intérêts de Sédhiou, mais c'est un mouvement aussi qui a été créé juste pour constituer de boucliers par rapport au ministre maire Abdoulaye Diop, mais surtout de vulgariser toutes les actions menées par, cet homme. Par cet homme. Voilà. Merci beaucoup. Euh, parlez-nous un peu de votre relation avec les jeunes, euh, les autres responsables politiques euh, de la région de Sédhiou. Euh, je commencerai par les jeunes. Euh, mm, c'est une relation de, c'est une relation un peu difficile, je dirais, étant donné que voilà, les relations entre jeunes n'ont jamais été tendres. Mais euh, parmi ces jeunes, il y, y en a qui ne sont pas juste des, voilà, des, des, collaborateurs, il y en a qui sont devenus des frères de sang. Et je prendrai l'exemple d'Ansoumane Sani, de Bakary Mani, d'Ofti Mani, etc., pour ne pas citer. Et euh, au-delà de, la politique, euh, nous entretenons des relations vraiment, je dirais, bon, inqualifiables. Parce que là, on n'est plus des, collaborateurs politiques, on est devenus des frères de sang. Mhm. Bon, maintenant, avec euh, les responsables politiques, à un niveau plus élevé, nos, leaders, bon, je dirais, c'est une relation qui n'est pas du tout tendre. Parce que moi, je suis un jeune très engagé. Et quand il s'agit de dire la vérité, je sais que je suis un peu virulent. Et pour ces jours, je ne badine pas vraiment sur tout ce que j'ai ou bien je ne lésine pas sur les moyens pour défendre ces Donc, je ne vais pas lésiner aussi sur quoi que ce soit, ou bien je ne vais pas vraiment euh, me, voilà, me voiler la face pour dire la vérité à ces responsables. Bon, certains, ah, pour certains responsables, bon, c'est un gosse qui est difficile à vivre. Bon, j'accepte. Mais s'il s'agit de Cédu, j'accepte que je suis virulent. Ouais. Alors, euh, merci beaucoup. Je pense que là-dessus, c'est clair. Euh, à vous connaître également, on sait que vous faites des publications via Facebook, des, publications qui sont très, euh, je dirais, assez bons pour lancer des critiques euh, voilà, par-ci et par-là. C'est mhm. quoi le problème en réalité euh, Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, vous allez un peu comprendre. Bon, c'est vrai que j'ai fait bon, des années hors du pays, <laughs> voilà, à, Abidjan. Donc, ça, ça, joue, ça se voit un peu dans, vraiment dans, dans, ce que je fais aussi, dans ce que je, comment je parle. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mhm. Bon, maintenant, vous me permettrez de parler en Wolof. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes magnifiques politiques dëgg la bañ et moi j'ai j'ai dit à Abdoulaye Diop un jour politiquement il faut plutôt m'avoir avec toi que contre toi je suis très dangereux politiquement et pourquoi li ma doon wax mes jeunes frères la cette génération des jeunes ñu doon jël ay briques di ko tegalante CDEPS di xool colisra yi mag ñi di politique man si laa bokkoon donc dama fekkee démb xool nu ñu doxalee ma fekkee tey donc suba dama koy préparer donc du ma nangu tey képp kenn responsable politique bi ñëw pour moi la commune de mes régions ça je m'engage pour ça et l'autre chose c'est que euh, euh, toutes mes publications ah bon à travers mes publications je sais que ça blesse certains responsables et j'assume les responsabilités et si c'est à refaire pas mon cas de suba donc je ne regrette rien et puis voilà je sais que les jours à venir seraient plus virulents que ça parce qu'il y y a des choses à dénoncer il y a un comportement à dénoncer chez nos leaders c'est les responsables politiques voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Alors, vous êtes dans une logique de, dans une logique de préparation des élections locales de, 2021. Euh, on peut savoir qui est votre candidat euh, Pour les locales, quand on dit local, il y a les élections municipales, il y a les élections euh, départementales. pour les municipales, mon candidat, c'est Abdoulaye Diop. Pour, les élections pour, l'élection départementale, j'ai un candidat que je... Voilà, vous allez me permettre, je vais son nom c'est mon candidat. J'ai un candidat pour, pour, les, élections départementales. Pour la commune de Sédhiou, mon candidat, c'est Abdoulaye Diop. Euh, donc, euh, nous avons tous entendu ce que M. Lamine Sauve vient de dire. Il dit que mm-hmm. son candidat pour les élections prochaines, c'est euh, Abdoulaye Diop. Alors, c'est quelque chose qui mérite d'être retenu. Mm-hmm. Voilà. Connaissez-vous un, certain parti Québec et quelle est votre relation avec ce dernier SPK, je dirais. Parti québé c'est un ami à moi. C'est un frère. Et là, je suis dans mon devant partout et que je prendrai un jour l'anecdote parce qu'un jour, il y avait un problème sérieux entre nous jeunes, de, entre Djemé, d'Abdoulaye Diop et de Pate Kébé. Bon, maintenant, quand il fallait vraiment assumer, j'ai assumé mes responsabilités pour dire que Pate, c'est un ami à moi, c'est un frère à moi, mais il s'est attaqué à mon leader, donc je, vais, je m'attaque à lui. Mais après, voir ça passe. Bon, l'immobilier d'avoir si Pate Kébé, moi, il y a trois choses. Primo, il est très responsable. Que il Bopom, que Gum Bopom, que Gum Sejou. Euh, deuxièmement, Pate Kebe, c'est un jeune très engagé. Donc, tout ce qui est, euh, comme le dit, développement, du le Guinée. Mais l'autre chose, c'est la dimension même de l'homme. L'homme Adam deug la, Holbu bu rafet la. Ça je ne peux ko témoigner si moom. Sama relation ak c'est tantôt heurté, c'est tantôt familial parce que ay mag rakk lañ. Tey mu metti, suba suba mu tàng. Et lu lu Et le plus la ñuy xamul Patekébé, c'est mon grand frère Parce que Pate frère mon Mamadou Cissé man moo doon sama promotionnel mais lu mu métti métti métti suñ toogee juboo dañuy juboo waaw suñu toogee waxtaan dañuy mais sama relation ak Parti Kébé c'est tantôt heurté il faut avouer mais c'est tantôt voilà mais c'est toujours dans le cadre voilà de, la famille c'est un ami c'est un frère à moi donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que dans la politique il y a également des jeunes gens je dirais euh, qui s'élancent dans cette mouvance euh, quel est votre conseil voilà pour pour ces jeunes gens qui aspirent à être de voilà devenir de grands politiciens parce que tu nga ànd ak diw suba gëmoo diw nga dem fele gars dañ fogné non transhumance que la non amoo convi de conviction parce que li tax nga ànd ak kii mooy pour le développement gisoo ne du développement da ngay dem fenen donc euh, suñu amul conviction c'est-à-dire lepp lu ñuy def té andi ñoo conviction bon du dem surtout politique lañ nek du religion quoi bon Sédhiou fi lañ jappé politique comme religion 24 heures H24 ñu ngi politique non mais il faut que ñu xamné Il y a un temps pour faire de la politique il y a un temps pour, pour le développement donc c'est le conseil que je donnerai à ces jeunes. Et l'autre chose, c'est que nous avons euh, qu'on se dise la vérité. Il faut, on a besoin ici des jeunes entrepreneurs. Donc, non, il faut être entrepreneur. Donc, c'est le conseil que je donnerai à ces jeunes. Si vous politique, qu'est-ce que je suis politique, mais je suis un chef d'entreprise. Et voilà, et c'est le conseil que je donnerai à ces jeunes. Nous entreprendre. Quoi. Voilà. Alors, je reviens un peu en arrière parce que tout à l'heure, vous parlez de votre relation avec Abdoulaye Diop et vous avez dit que euh, mm-hmm. ce qui la rend, c'est d'être avec vous, que de ne, pas de ne pas être avec vous. Mm-hmm. Donc, je veux que vous m'expliquiez un peu voilà, mm-hmm. pourquoi vous avez, euh, voilà, vous avez soutenu cette thèse. Non, quand je, dis, quand je disais Abdoulaye Diop, il faut plutôt m'avoir, polit, j'ai dit politiquement, il faut plutôt m'avoir avec, avec toi que contre toi. Et ça, parce que je sais que politiquement, je suis dangereux. Ça, je l'avoue. Et j'ai expliqué pourquoi. Parce que j'étais voilà j'ai reçu une formation virtuelle de Bala Moussa Dafé parce que dama doon yëndu c'est CDEPS si ñom ni ñuy politique ñom Bala dafa ñu am matisé mhm. donc dama ànd ak des responsables des kilifa yo xamné bu du ndaw et puis dama def séju politique politique Dakar et puis dama féké lu bëri donc politiquement je suis très dangereux bon je sais que socialement xaw nit xamul boppam mais je sais que socialement je suis quelqu'un voilà peut-être ni ñom ma mën juger je suis quelqu'un de bien mais politiquement je suis très dangereux waaw et puis ragaluma dara quoi voilà, merci beaucoup. Euh, en dehors de la politique, on mhm. peut savoir qu'est-ce que euh, la mine fait Je suis chef d'entreprise. Mhm, je suis le PDG de Mbarodi, qui est une entreprise de communication mhm. et, de packaging, d'emballage. Voilà. C'est une entreprise basée à Kolda. Voilà, surtout pour le pas Ma première, ma première euh, tentative, c'était ici à Siedjou. J'étais le premier jeune, je l'avoue, à, oser entreprendre, à créer une entreprise, Djelker Loueko mais ça n'a pas marché parce que on connaît tous les réalités à j'ai dit je vais aller chercher ailleurs donc comme nul n'est prophète chez soi peut-être à, à Kolda je serai un prophète. Mm-hmm. et on peut attendre peut-être dans l'avenir que mm-hmm. voilà cette entreprise soit un peu euh, décentralisée parce que l'objectif c'est quand je partais à Kolda c'était pas seulement être à Kolda je voulais être à cheval entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry et la Gambie et là il fallait plutôt être à Kolda pour ça mm-hmm. parce que je veux que Mbaroudi soit une entreprise sur régionale voilà, euh, parlons un peu dans le cadre de la jeunesse. Mhm. Parce que euh, qui connaît l'EMSO connaît, euh, le connaît aussi à travers les différents concerts qu'il organise. Mhm. Donc, je veux que vous reveniez un peu là-dessus. Et pourquoi voilà, l'organisation de ces différents concerts C'était d'abord juste pour accompagner mes jeunes artistes, les jeunes artistes, mes, jeunes frères. Et l'autre chose, c'était apporter ma pierre à l'édifice. Parce que Sédou, c'est une ville culturelle. Mhm. On, a été bercé par Lucas, on a été bercé par voilà, de grands artistes, de grands artistes ici maintenant euh, si si tout le monde faisait comme moi il y a un problème yi nous. et il faut aussi saluer vraiment Pathé Québec parce que quand je suis venu organiser Québec, était de l'autre côté mm-hmm. en ce moment il y avait des gens qui n'investissaient ñun amuñu de dara ñoo ñu n'investissent pas dans dans dans la jeunesse mm-hmm. maintenant parce qu'ils ont besoin de la jeunesse ñu commençons à investir mm-hmm. bon maintenant il faut aussi dire la vérité c'est le monde le monde artistique et c'est le monde ingrat artiste en réalité et opportunité opportuniste c'est ça le mot donc intérêt lay gis guise intérêt bon quand à un moment donné la mine ne pouvait plus organiser de la mine ne pouvait plus les aider bon ils sont partis ailleurs c'est voilà c'est le cours normal des choses maintenant les ñu mën moi euh, il faut que nous gëm seen ben le loolu moo de artiste Sédhiou yi gëmuñu c'est Et je l'ai dit, je disais ça, bon, il va, il va m'excuser à mon, à mon petit frère manju Je écoutez, vous pouvez être il y da des artistes qui ont albums parce que quand vous avez la possibilité d'être par Lamine Sow un employé de Tidiane Ba mu manager mu jël Tidiane Ba koy jox donc disponibilité mais aujourd'hui voilà album un échec pour moi. parce que on a de a de grands talents ici à Sédhiou

Et c'est le conseil que je donnerais à tous ces jeunes. Et avant moi, il y avait un gosse qui me fréquentait, qui m'a créé studio, parce que moi, j'ai créé un studio musical. Il euh, y avait un gosse. Euh, ce qui m'a chance, moi, euh, Old Dafonio, Old Manager, Mixman. Bon, malheureusement, pour moi, la musique que je fais, fille boy, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. suñ ko xamoon fii ba da doon am base ñu yëkkati ko mu dem mais xamuñu xamuñu musique bi muy def ñoom pour ñoom fii soo deful jàmbaar moom doo artiste quoi c'est ça la vérité. Euh, régime que fini ben euh, style musical est lañ am quoi. Ñom ñep mom lañu def. Ñom ñep lañu def conseil changer parce que j'ai vu Mandiou répertoire bu bu parce que ak si ku studio Faya da donc studio Faya et puis des fois dem voilà ils ont compris maintenant pour certains. Voilà, merci beaucoup. Euh, toujours dans le cadre de la politique. Euh, le constat que nous avons fait ici à Siediou, euh, c'est qu'il y a beaucoup de, je dirais, beaucoup de vieux qui font la politique, mais pas avec de la manière. Donc, quel est votre conseil pour ces, pour ces vieux qui font de la politique juste peut-être pour trouver quelques sommes d'argent aux politiciens et assurer leurs dépenses quotidiennes Ces gens ne croient même pas à Siediou. Ces la politique ne croient même pas à Siediou. Mm-hmm. Soit ils sont en, voilà, en disgrâce mm-hmm. avec le président. Mm-hmm wala poste maintenant politique soit ils sont à la retraite donc faut respecter population bi ngay a sa digg doole ngay am ay millions des milliards faale woo nga xaar bañ lay bañ la dàq wala bañ ngay waaj retraite ngay pas damay ñëw politique Sédhiou fii politicien bu fi ñëw nga ne da ngay politique te fekk démb xamuñu la force forcé nara je répète nara le constat que nous avons fait également c'est il y a des gens qui disent que des jeunes gens qui sont derrière les Abu Diop et autres ne pensent pas pouvoir réussir par eux-mêmes. Mm-hmm. Donc euh, ils ont pris leur espoir, mm-hmm. ils leur ont donné ça à Abu ou à, à Moulay Touré et autres. Mm-hmm. Donc euh, le conseil que vous donnez également à ces jeunes qui euh, voilà, sont derrière ces gens, qui ne pensent pas pouvoir réussir par eux-mêmes. Et puis l'autre chose, si ces responsables politiques n'ont rien fait pour la jeunesse, c'est dû à la jeunesse aussi. Si fait qu'il y a mané pogba moy sama ennemi du dem duma dem ñun ñaar du et maintenant le responsable politique qui voilà nommé Pogba war m'a nommé day toog du ñu seetaan te kii dañ ko nommé dañuy yeew benn jour ñu football ko et puis c'est trop tard fekk du la mën a nommé il faut que ñu gëm si ni bopp ñu doon benn c'est le grand problème à Sédhiou gëm kenn kenn gëmul sa kenn kenn sa ku nekk sa bopp nga gëm surtout en politique il faut que ñu bàyyi di lekkante ñun fii les jeunes Sédhiouois les jeunes responsables politiques ay jën lañ c'est ça la vérité suba il ma aujourd'hui il me taxe d'être un pro en soi avec fierté ils me, verront avec toi ils vont dire que grand bobo, C'est ça la, c'est ça la réalité à Voilà, encore une fois, euh, avec le mouvement touché coulé, parce qu'on a entendu pas mal de rumeurs, des gens qui vont dire que c'est Ansou qui a financé tout ça. Est-ce que c'est vrai ou pas En tout cas, euh, touché coulé, <laughs> c'est un mouvement qui appartient à la Sow. C'est un mouvement créé par la Sow. C'est un mouvement pensé par Lamine Sow. Et c'est un mouvement qui reviendra en force. Écoutez, c'est-à-dire, euh, quand on a lancé le mouvement le 17 février 2018, euh, euh, les gens ont, dit beaucoup de choses. Primo, j'étais courageux vraiment de faire déplacer des artistes de renommée internationale. Fatah, n'est pas n'importe qui. Fatah, quand j'ai négocié avec Fatah, qui est un grand frère, il n'était même pas au Sénat, il était aux États-Unis. Et quand j'ai appelé Fatah, quand j'ai appelé El Adjouf, c'était pour qu'il vienne au moins à Séjou, ñu xam fan fu ma dëkk wan leen carrément man xeebu ma sama bopp d' abord samay grand lañ benn la je devait venir malheureusement dafa amoon problème ak euh, voilà je voulais pas vraiment je veux même pas rentrer dans les détails moo tax ñëwul mhm. et quand j'ai déplacé Kaddu Mag et quand des jeunes frères comme Mix Men ñëw sama concert mhm. c'était quelque chose de euh, vraiment lu dëggu la quoi mhm. bon maintenant après loolu lu nekk dégg c'est en sous le moment touché coulé appartient en sous écouté et j'ai dit à mon épouse mom la ko njëkk a wax man ko wallahi tallahi su fekkee ne mouvement bi motax ñu yàq der en su dañ ko yàq je mets en stand by le mouvement ba ñëpp ba mu leer ñëpp si si joie yëpp que ne man mako mom je reviendrai avec force lepp lu ma je reviendrai je ferai ça trois fois plus sama xaalis mooy doxal mouvement touché coulé du xaalis Abou Diop du xaalis en sousane sama mouvement sama mouvement la man te touché coulé Abou moomu ko sous moomu ko benn responsable politique moomu ko mhm. bi may créer mu touché coulé nee naa ko c'est un mouvement citoyen d'abord citoyen non politique Benen, c'est un bouclier pour Abou Diop Benen, c'est pour vulgariser les actions d'Abdoulaye Diop C'est ce loolu amul leneen bon dégg on sax ñu le mouvement local yi mu quand on va partir pour les locales Nous bëgg soxla suñu bopp dëgg dëgg responsable bi ñu weddi leen du dem mouvement politique parti créer local voilà. à présent, M. Sow, on peut connaître votre relation avec les autres hommes politiques, je veux dire les leaders politiques de la région de Sidiou. Tantôt heurté, tantôt, tantôt ça passe. Mhm. Voilà, connaissez-vous un certain moment de la mine Jawara donc, euh, il y avait un jour, on a vu votre publication sur Facebook, mhm. euh, une publication dans laquelle vous lui traitez de porte-valise euh, du ministre maire Abdoulaye C'est la, pure vérité. Il porte les valises du, ministre maire de Sédou. Expliquez-nous en fait le fond du problème. J'ai pas de problème avec lui. En personne, personne, ça dit, j'ai pas de problème personnel avec la mine Jawara Mon problème, c'est que je sais que ce n'est pas qui l'intéresse donc si c'est Sédhiou qui l'intéressait, il n'allait pas vraiment faire ces micmacs-là. Et nous, on est là. On ne va plus accepter que des gens fassent des micmacs. On défend la cause de Sédhiou. Voilà, merci beaucoup euh, Lamine Donc l'émission tire à sa fin. Mhm. Donc euh, quel est votre dernier mot Bon, mon dernier mot, je dirais chapeau à Sédhiou 24. Euh, Dignan euh, Télébi, peut-être bala ñu fin d'année. li ñuy njortu si télé bi mu mu raw lool mu doon télé a fait. ne dañ koy fekk si bouquet TNT ben, ñaar mu doon télé bo xamné tay day wuyo turam moy lan que né ben séju 24 séju dëkk naataange la RTS euh, RTS 4 mi ngi fi séju 24 ñëw na ñaan yalla fu ñuy tuddee RTS 4 ñu tuddu séju séju 24 fu ñuy tudd RFM ñu tuddu séju 24 mais pourquoi pas fu ñuy tuddu France 24 ñu tuddu ñu tuddu parce que du expertise mo leen mëna bloquer du gëm baña bañ di seen bop parce que gëm seen bop motax ngeen teg ko am na ñu fi nekk ñu leen ëpp màkkaama defuñu ko am na ñu fi nekk ñu leen ëpp xaalis defuñu ko tey yàlla yàlla yéen la yéen la leen jox possibilité ngeen def ko continuer gëm seen bopp te xam ne dina dex et puis man personnellement je je man je me porte garant man maa ngi son doon seen ambassadeur man merci beaucoup. Euh, c'était votre émission Entretien avec Lamine Sow. Donc, merci beaucoup pour votre disponibilité. Voilà, comme, vous le savez, voilà, c'était un peu difficile avec la situation actuelle du pays que vous vous déplacez pour venir. Donc, on vous dit chapeau à vous et merci beaucoup à toute l'équipe technique de la télévision CEDU24. Euh, abonnez-vous à CEDU24 pour ne pas rater d'autres notifications, merci beaucoup CEDU24, le prochain et la qualité Merci.